assalamu aleykum maare musum puɗɗo kadi heka komɓe ɗum na fayni donata tukuna kadi hattire ga kayne agadi wagadi vision tv ke wakati kundu euh, wa nokkuɓe kadi grand yo fo o wakkili agence hoorega hena agence ke attaho gani jésus aɗo kadi agence ke tohol fillanayi jésus immobilier ado jésus donc kun agence ori den kenya inauguration ga nokkuɓe kadi grand ni ndi gaari ngappalle ma jibi mbay ha me kamo sula meñere aha anama wari fiki kama jibi mbay Salam uh, assalamu alaikum uh, Wagadou vision Haïna nonga oda sukuni to linki ori uh, komangara ko ibrahim ori uh, inauguration yani inauguration yani inauguration Vegani, ani ayani sonin ayanda agence immobilier agence de formation mhm. donc komangara to ge ko rombe immobilier mhm. ado zip donc kuni agence wani a angatu ampajuntenga ho euh, dambe kata immobilier construction euh, vente achat location hein, terrain ho gani construction allah immobilier wari donc euh, lemnu yanda ken créer pour na pour na pour na à travers immobilier de formation au niveau informatique maintenance honko gani kitirangole ɓe ga kattam machine ga walla numérique ga engrais immobilier en pajunga jarane yokundu yeni yanga a visite immobilier parce que finu filiani zezi wanonga qui est spécial pour la formation mannequin puis la tena un infographe maintenance ado bureautique kenni medi maintenant zezi qui kenni immobilier en kare dibi mbay lenki oku haju nak kunya sir sir sir sir akata maniki tanga ko ngeli ke son galle medan bon euh c'est sewaye do nyagaliye parce que angana hay lenki euh, euh que agence B iraro en place ayani gara que agence B muni me darja ñanadangane par parce que oku ganni ora wari soni soninkonga euh, terano ñani itele safariya mais lenki euh, mu nga iri naganen cisi pour ina golña jamane ke ina kato ho kita donc kenkuna howani vraiment euh, oga oga oga oga sewono oga ti kenga amane wo eh, ganninga ogana wari soninka lemme suganari riere ina mbiye ñakutanda pour ana daga france mais lenki ora wari nanti hinum pay haraxini eh, soninka lemmunga idi naxanu ña sisi na ngolña yere eh, yowa mundaxati ina kite i jamane ñimme sari billa iga tele safari safari yege kuna sere ñani o matamaña mais na ngolña anna a ñimme jamanenga anna golña anna kitenonga annan jamane ndema annan kore ndema anna yile participer ne an jamane nga tele ya gambe hon takoto kenga fo takoto kenga alla ganda suno ni tibi mbay ketangi ndasi ma ikunga yututa gollenga ketangi man haga ngona makata soni galle mu ngakuru gango be gi maga eh, aya ni soni kon chunan kahi ina li ini dema ini golle ke kubu kanu gi maga kubu terrain khibare gi ga mundi na terrain khobo kubu ga haju sugi maga kata informatique nga a khotangi kamalenki igana rizezib immobilier i warini lenki i haju nga jare ne sigira ga bane ke no nga donc kundu yani mari musumpundo katinga hara ga mari mukaw dome ibrahima janga kafini kapalle magani jibi mbay wonat korno ga nokonga ni gara fatam pacc gabe gabe kinoya tuye ga tena kata kili ke jeju karanga aru kuye jeju immobilier ke kama wonat hara nga fayne mbay aru khen ko gabe na wassalam Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir de vous voir ici et nous vous souhaitons la bienvenue. Permettez-moi, au nom du personnel de Jessie, de souhaiter une bienvenue spéciale à nos invités d'honneur. Il s'agit de euh, Madame Awassar, qui n'est pas encore là, euh, d'ailleurs, fondatrice de Jeff, M. Euh, Monsieur Babacar spécialiste en immobilier, Monsieur Amadou Timera, ingénieur en informatique, Monsieur Aruna Timera, ingénieur en architecture. Monsieur Djanka, représentant Ouagadou Vision. Monsieur Djibril Mbaye, journaliste. Monsieur Issa Diaro, fondateur de El Djahali. Monsieur Issa Tandigora, commerçant. Monsieur Samba Batili, commerçant. Monsieur Boubacar Traoré, ingénieur en logistique. Euh, monsieur Issa Akaba, fondateur de NAFA Global Service. Euh, pour rappel, nous allons vous parler un peu de GESI. Les missions de service général de GESI, gestion évolutive du système informatique. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de solutions technologiques en déployant des systèmes d'information adaptés sur l'ensemble de vos sites. Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de vous proposer l'ensemble des prestations de services informatiques nécessaires à la réalisation de vos projets. Nos services et offres informatiques. Chez Jessie, on a l'installation ordinateur autonome, réseau informatique, système de vidéosurveillance. Nous faisons aussi une intégration des solutions adaptées à votre système d'information afin de répondre à vos objectifs. Nous faisons la maintenance et dépannage en informatique. Nous faisons une étude et conception grâce à une offre de services sur mesure. Nous vous accompagnons à travers la création de vos sites web, du début jusqu'à sa livraison. Nous vous apportons des solutions flexibles et adaptées à vos besoins. En infographie et multimédia, nous définissons ensemble une charte graphique adaptée à votre profession création de supports graphiques, logos, cartes de visite, flyers, brochures, etc. Nous vous proposons de nombreux modules de formation en fonction de votre niveau et de, vos besoins. Il s'agit notamment de formation en transfert d'argent pour les multiservices, maîtrise du clavier, souscription à l'assurance, paiement de factures, transfert d'argent. Nous proposons aussi une formation en bureautique, Word, Excel, PowerPoint, niveau 1 et 2. Une formation en administration des réseaux locaux d'entreprise, pour les professionnels d'ailleurs. Une formation en maintenance, avec les bases, les composants, les logiciels, Internet, installation, dépannage. Formation en vidéo, surveillance, euh, système et équipement, contrôle d'accès, détection d'intrusion, installation de vidéos, surveillance analogie et vidéosurveillance IP. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Timera, qui est d'ailleurs le cœur de Jessie. Donc, il entamera en tant que manager, en compagnie de nos invités, la remise des diplômes, suivi du témoignage de certains de nos étudiants. Ils vont témoigner ici voilà, de la formation à propos de Jessie. Voilà. Donc, et enfin, nous procéderons à la présentation de nos locaux pour l'immobilier. Merci. Bonsoir à tous, euh, moi c'est Boubacar Timera, donc euh, administrateur général de, des ICI, gestion évolutive du système informatique. Donc euh, je remercie beaucoup M. Batili d'avoir tenu ce beau discours. Donc il fait partie de, de ceux qui, euh, qui travaillent dans cette euh, agence, dans cette entreprise. Et en même temps aussi, il est le formateur de, des ICI. Il donne dispense de tout ce qui est de, l'infographie. Et je, tiens à remercier euh, de, tout le travail qu'il a fait pour nous. Donc, il, dans deux mois, il vient, de, de faire une formation excellente. Donc, dans deux mois, nos étudiants parviennent à faire des, choses vraiment extraordinaires. Donc ils sont là, peut-être qu'elles vont, vont témoigner. Donc aujourd'hui, rien qu'une formation de deux mois, et ils, elles parviennent, ils parviennent à, créer le, logo, faire des, flyers. Donc vraiment, merci beaucoup Batili. Après ça, je tiens à remercier tous les invités qui sont là, euh, mes collègues, Khalou Fofana, Djibril Timera, euh, Salimata Konate, qui est absente, il est malade, elle est malade. Donc mon papa, Hamidou Timera, qui, franchement que je remercie, beaucoup depuis le commencement de ce projet-là. Donc à chaque fois que je lui parle de, notre projet, donc euh, il, me soutient, il me donne des, des, idées, des solutions. Donc aujourd'hui, Dieu fait qu'il est là. Donc euh, il est ingénieur en informatique. Voilà, c'est merci beaucoup papa d'être venu. Et je remercie aussi Traoré qui est mon collègue et qui, est aujourd'hui <laughs> un grand patron qui est dans le transport logistique. Donc je remercie aussi Baba Fall qui est mon collègue et spécialiste en immobilier. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de lui donner là aussi la parole. Il va nous expliquer un peu l'immobilier. Donc je remercie aussi Issa, Issa Kaba, Samba Batili, qui sont nos partenaires Janka, qui est le, représentant de Ouagadou Vision, donc, euh, et Moussé Gueye, donc, euh, et tous les étudiants de Zessi, et Mamoudou Bari, donc euh, Sornatal, Noéla, <laughs> et aussi Soufingom et Kamara, donc où est l'autre là, Sylvie. Donc nous remercions tous les étudiants, étudiants et étudiantes, donc vraiment d'avoir, euh, de nous avoir donné la confiance, hein, de nous avoir donné la confiance de venir ici. Donc en venant ici, vous ne connaissez rien de ici. donc vous êtes venus, donc euh, bon, vous avez fait la formation et vous, vous avez été vraiment très sérieux de, ce que, de tout ce que vous, vous avez fait dans, notre, structure. Donc ça, c'est quelque chose à magnifier. On vous remercie. Et nous invitons tous, tous les, tous les gens qui sont là, qui n'ont pas, euh, pas fait de formation, mais qui n'ont même pas de niveau. Donc, ici, donc c'est une agence. Nous, on, ne forme pas, euh, seulement les diplômés. Même, euh, même si tu es au niveau BEP ou bien au niveau BFM, nous, quand tu viens à Zessi, donc nous allons apporter, parce que c'est des formations pratiques. Donc c'est ça. Nous remercions aussi El Djarali Donc je ne vais pas durer, après on va passer aussi à la remise des diplômes plus tarder. Donc, euh, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, euh, sans plus tarder, on va entamer la remise des diplômes. Donc, euh, on va appeler nos étudiants ici présentes. Donc, on va commencer par Adjo, Ayonam, Aouji. Donc, elle est absente. Mamadou Bari. Voilà, vous allez vous présenter. Comme ça, voilà, on va entamer euh, voilà, la remise. Donc, euh, voilà, vous voyez Faites attention au truc. Voilà, voilà, là. Hein. Voilà. Donc, euh, notre euh, très cher euh, papa va lui remettre son diplôme. Voilà. Donc, pour le diplôme, on a Parce que. Voilà, on doit Papa. Ok. Vous allez prendre en photo. Félicitations. Ok, ok. Vous enlevez ceux qui sont absents. Qui Je souhaite plein de succès. Ok. Hein? C'est pas du sujet. Sankara Kamara, il est absent. Il est absent. Daouda Kouble est absent. Lassana Djara. Voilà le cinquième, lui, il est là. Ok. Bachir est absent. Ok. okay. C'est bon Ok, merci. merci. Et bonne chance pour la suite. Donc, euh, nous appelons Lassana Djara. Lassana Djara, il est où Lassana Djara. C'est quoi là qui Boanga. Monsieur Boanga. Donc, Monsieur Boanga va lui remettre son diplôme. Donc là, n'a Diara. Voilà. Ok. Bonne chance. Bonne chance pour la suite. Ok. Bashir Fadila. Bashir Bashir Noëlla. Noéla. ok. Nous appelons Noël, Merveille Moko Misakala. Monsieur Traoré. Voilà. Monsieur Traoré va lui remettre son diplôme. Voilà. Ok. Alors, bon courage pour le reste, de bon sens. Merci beaucoup, ok Sophie Ngom nous appelons Sophie Ngom Sophie Ngom Monsieur Fall ok Félicitations et bonne chance pour la suite. Non, euh, hein. hmm, Ok. Nous appelons ici Hadid Donc, monsieur. Monsieur Kamara, vais vous présenter. Monsieur Kaba, veuillez m'excuser. Hein. Monsieur Kaba va lui remettre son diplôme. Hein, c'est elle, ah, elle, ah, c'est elle. Ok, donc pour aussi. Hein? On va On va On va Ok. Voilà. Ouais, ouais. Elle, a deux, a fait deux formations. Donc, elle a, elle a fait deux formations. Donc, euh, voilà, monsieur, je monsieur encore. Ok, il va venir. C'est ah, Maintenant, pour le reste, euh, comme hmm, dommage, euh, ils ne sont pas là. Euh, voilà, ils sont peut-être avec les imprévus. Donc, on va essayer de passer à la présentation voilà, de nos locaux. Et bon, permettez-moi aussi de vraiment féliciter M. Timera ici présent. Voilà, avec bon, des applaudissements si un en Voilà des applaudissements parce que vraiment depuis euh, la création de cette structure, depuis le début de la formation, vraiment il n'a ménagé aucun effort vraiment pour la réussite. Et, euh, je peux dire que c'est un grand homme, c'est un visionnaire vraiment. Il fait tas de choses pour euh, cette entreprise. Et bon, moi qui suis présent, vraiment, il m'avait appelé pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je ne regrette pas vraiment de l'avoir connu. Je ne regrette pas. Euh, je suis euh, informaticien, ingénieur en informatique. Euh, voilà, je travaille à l'université Charente Diop de Dakar. Donc, je suis infographiste aussi, monteur et designer. mais vraiment, je ne regrette pas d'avoir connu M. Timera. Et j'espère que notre partenariat ne cessera de s'accroître. Et voilà, donc on va passer à la, à la présentation, de, à l'inauguration, autant pour moi, de nos locaux ici. Donc euh, lui-même, il va voilà, essayer de présenter nos locaux et parler un peu de l'immobilier. Bonjour l'assistance. Euh, je m'appelle euh, Halidou Fofana, cofondateur de ce projet. Bon, je rappelle juste que nous sommes, euh, sommes quatre. Nous sommes quatre à, à, fonder la société. Donc, euh, euh, moi, Haldou Fofana, euh, Aboubakar Timera, Salimat Konate, qui malheureusement est souffrante, n'a pas pu venir. Et il y a aussi Djibril Timera. Donc, avant d'entrer dans les détails, il faut que je fasse un petit rappel quand même, parce que c'est important. Euh, parce que tout au début du projet, avant ça, c'est lui, euh, Abouakar, qui m'a contacté pour me parler du projet. Donc, euh, comme bon, je suis quelqu'un qui, était toujours à la recherche de, mon propre business, donc dès le début, ça m'a attiré, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. je lui ai dit, pourquoi pas essayer Donc, essayons d'être des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, peut-être que ça se passera bien. Donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé le début. Donc euh, jusqu'à, ça fait, c'est pas, presque un an. Euh, donc après maintes réunions, voilà, donc on a pu, avec l'aide de Dieu, on a pu avoir ça. De cette, cette journée d'inauguration sera jamais marquée parce que c'est la première fois j'ai l'honneur, bon, personnellement, puisque j'ai l'honneur de me, de, considérer comme entrepreneur. en parenthèse, je n'exagère pas. C'est juste un début. Après, Inch'Allah, on verra. Voilà, donc euh, euh Imo euh, n'est tout autre que... C'est un projet d'agence immobilière en fait. Euh, Jzip Global Entrepreneurship Innovation Bâtiment donc euh, nous, nous allons... C'est surtout le bâtiment, c'est surtout, surtout dans, le bâtiment que nous allons, nous allons travailler. Euh, donc, euh, à savoir l'acquisition de, savoir l'acquisition de, de, terrain, de terrain passant par la construction et, ensuite par l'équipement. Donc, je vais un peu donner quelques, quelques détails. Donc, euh, pour Dujisco, euh, nous proposons, euh, nous sommes là pour aider à, trouver, par exemple, on propose, on propose le client, on lui propose déjà de, l'aider à lui trouver un terrain. en plus, on lui propose aussi euh, un plan, de lui faire un plan, plan architectural, bon, ce qui est, ce qui est, ce qui est très, très normal pour, euh, pour une construction. Voilà, donc en plus, euh, tout ce qui est, bref, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est relatif à, au bâtiment, l'électricité, plan de plomberie, un devis bien sûr, donc même, même, même s'il s'agit de modifications aussi, on est là. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut modifier sa maison, voilà, et faire des rénovations aussi, on est là. Voilà, parce que là, on travaille vraiment, on travaille euh, avec euh, des gens vraiment qualifiés, des professionnels, je dirais. Euh, donc, en plus de ça, on sera là aussi pour, pour la gérance, la gérance, location, voilà. Donc, même s'agissant de S'agissant de l'informatique aussi, donc euh, on sait tous que maintenant une maison, euh, c'est plus comme les maisons d'avant. Donc euh, une maison, il faut qu'il y ait vraiment un équipement informatique, donc des câblages réseau, vidéos de surveillance, contrôle d'accès, alarme, interphone et tout et tout. J'en passe. <coughs> voilà. Donc, bref, c'est la présentation que je pouvais faire. Donc, euh, c'est la meilleure présentation que je, que je pouvais faire euh, du projet. Donc, euh, il y a des brochures. Je pense qu'après, on vous, on vous les distribuera. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc... donc, je remercie tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont là. Donc, vraiment, que Dieu vous paye votre déplacement voilà, j'espère que j'ai pu faire une bonne présentation. Voilà, donc euh, c'est ça. Jésus Immobilier. Bonsoir, je vous salue tous, de chacun, d'être présent. Euh, moi, c'est Babakar Sadir Fall. Je suis euh, un administrateur de biens immobiliers. je suis aussi un conseiller en, dans le volet foncier. En même temps aussi, je suis le collaborateur, comme l'a dit Timera, que je remercie beaucoup. Et avant même de commencer, j'aimerais encore que vous fassiez des applaudissements à ce cher homme. Pourquoi je le dis Parce que ce n'est pas tout facile, en étant jeune comme lui, de pouvoir avoir l'audace de mettre en place quelque chose. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais aussi il faut avoir le courage, vu le parcours qu'il a eu à faire, de pouvoir mettre en place ce service. Il est très important, et l'importance même d'ailleurs de GSIP, c'est de pouvoir rallier en même temps l'informatique et l'immobilier. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas partir d'un simple constat de faire tout simplement de l'immobilier sans pourtant aussi faire de l'informatique. Ça va de pair sur deux aspects. Tout à l'heure, mon cher collègue l'a dit, après avoir construit, qui est aussi un domaine de l'immobilier, il va falloir qu'il y ait des installations informatiques. Mais avant cela même d'ailleurs, quand vous avez une agence immobilière et que vous voulez que votre agence puisse se propulser vers l'avant, vous avez besoin de ces genres d'hommes pour pouvoir maintenant vous aider à se propulser vers l'avant. Donc, c'est très important de pouvoir euh, rallier les deux, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir maintenant concurrencer d'autres personnes ou bien d'autres structures qui sont dans le domaine de l'immobilier. Je ne vais pas faire un monologue, je ne vais pas faire un long débat sur l'immobilier, vu qu'en réalité c'est un domaine qui est vaste, extrêmement vaste, mais je vais quand même parler un peu de ce que je sais et dans la mesure du possible, à travers des questions ou bien des jours à venir, on pourra faire aussi d'autres conférences ou bien d'autres symposiums à parler aussi de l'immobilier. J'ai eu à travailler avec lui, mais il y a un gap dans le domaine de l'immobilier. Parce qu'ici au Sénégal, l'immobilier n'est pas tout formel. Raison pour laquelle nous, en tant que tels, qui sommes des agents immobiliers, nous ne pouvons pas en réalité se propulser. Il y a un problème. Parce que vous voyez en réalité une personne qui est au-dessus, qui est au quartier, qui n'a rien à faire, qui ouvre en réalité un multiservice au top, il va dire que je vais en réalité gérer des biens. Comment il va les gérer Est-ce qu'il est un spécialiste Est-ce qu'en réalité, il a le savoir suffisant pour pouvoir maintenant exercer ce métier-là, qui est une science L'immobilier, c'est une science. Ce n'est pas en réalité que vous vous mettez là, vous n'avez rien à faire dans la vie et que vous vous, mettez là à pouvoir exercer le métier de l'immobilier. Je parle entre guillemets et je ne les taxe pas, mais ce qui existe au Sénégal, et ce qui montre même dire que l'immobilier n'est pas formel, on voit en réalité les courtiers. Nous tous, on a ce problème. Vous venez, un courtier te dit qu'en réalité, il y a une maison telle, il y a une maison telle, qui exerce le métier et qui ne le maîtrise pas. On a beaucoup de problèmes avec ces courtiers. Et pour pouvoir éradiquer ce problème-là, moi, je pense que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut se former. Sans cela, vous ne pouvez pas exercer le métier. Parce que exercer le métier de l'immobilier ne se limite pas tout simplement à vendre une maison ou bien à faire de la location-gérance, il y a un tas de travail derrière. Comme il l'a si bien dit, la fiscalité immobilière, ça existe. Vous vous levez en bonjour, les services domaniaux toquent à votre porte, vous dire qu'en réalité, vous devez payer vos, vos taxes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela avant même d'exercer le métier Étant même un agent immobilier qui a une agence, est-ce que vous vous êtes averti par rapport à cela Je dirais, sur 80, 100% des Sénégalais, les 55% ne le savent pas. Donc juste pour vous dire que l'immobilier est un problème au Sénégal et que nous, étant jeunes, on doit se donner la volonté de pouvoir se former et de pouvoir exercer les métiers dans la, science, mais aussi dans le savoir-faire. Donc, c'est le premier problème que je devrais parler en tant que tel, mais je vais insister par rapport aussi à l'agence, avant de parler aussi du volet foncier, qui est important. L'agence immobilière ne se limite pas à ce que je disais tout à l'heure, mais il faut aussi savoir comment gérer son agence. Parce que je pense que vous devriez faire ici une gestion immobilière. Donc, il faut falloir que vous ayez un produit et que ce produit-là puisse répondre à, à des normes de gestion. Qu'est-ce que vous gérez déjà Vous gérez quoi Les biens d'autrui, d'une autre personne. Comment on doit le gérer Tout à l'heure, je parlais avec ce cher homme qui me disait qu'en réalité, pour gérer, il faut avoir de la confiance. Oui, il faut avoir de la confiance. Quand monsieur me donne sa maison de pouvoir la, euh, gérer, sa maison, il va falloir que moi qui le gère, je puisse avoir une confiance parce que je gère des millions. Ce n'est pas une question de 100 000 francs, ce n'est pas une question de 200 000 francs, c'est une question de millions. Maintenant, prendre des millions et le remettre à une personne que vous ne connaissez pas, ce n'est pas tout sûr. La raison pour laquelle vous avez longtemps vu des gens qui se déplacent, qui font de la prospection, comme on a l'habitude de le dire, et qui ne parviennent pas à avoir des biens en gérance. Pourquoi Parce qu'on ne leur fait pas confiance. En dépit de cela aussi, si vous avez une confiance par rapport à la personne, il va falloir que aussi vous, en tant que gérant, vous puissiez savoir comment on gère. Parce que ça ne se limite pas tout simplement. Chaque mois, vous faites le recouvrement des locaux. Chaque appartement, vous les recouvrez et après, vous livrez l'argent au propriétaire ou bien au bailleur et après vous prenez votre frais de gestion. C'est facile. En tant que gérance, en tant que gérant, vous devriez avoir l'obligation de tenir la maison en bon père de famille. C'est votre maison. Même si ça appartient au bailleur, ça vous appartient vous aussi. Donc vous devrez faire telle sorte que ce bien en gérant, que vous puissiez répondre à la fiscalité, que vous puissiez répondre à la gestion, mais aussi plus important à l'administration. À l'administration. Parce que quand vous gérez, l'État a ficelé quelque chose, il a mis en place un dispositif. Comment la loi sur la location gérante a été établie, vous tous, vous devrez être rendu compte de cela pour pouvoir maintenant bien établir sa maison. À défaut, si vous ne le faites pas, le bailleur peut se, se lever en un bon jour, les services de la fiscalité vont venir pour lui dire qu'en réalité, vous devrez payer votre fiscalité. Est-ce que l'agence qui gère vos biens s'est rendu compte de cela Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez venir au niveau de l'agence pour dire qu'en réalité, moi, euh, vous ne pouvez plus gérer mon bien parce qu'en réalité, vous ne répondez pas aux normes de l'administration. Donc vous voyez en réalité, en quelque sorte, l'ensemble de ces problèmes-là qui existent ici au Sénégal et que nous, on doit forcément y remédier. Donc sans plus tarder aussi, je vais parler aussi de l'importance de, de IMO. De IMO. C'est-à-dire quand je parle de son importance, il va falloir que Timera puisse donner la raison de pouvoir permettre aux gens de venir se former ici dans l'entreprise. C'est ça notre credo. Vous n'allez pas en réalité sortir ici sans pourtant avoir un savoir qui est requis. On doit se former, on doit s'auto-former même d'ailleurs et permettre aux gens de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et j'insiste, j'insiste encore, vous, en tant que spécialiste dans l'informatique, de pouvoir propager, de le dire à vos confrères, de le dire à vos amis qui sont là, qui veulent se former, parce que nous tous, nous voulons avoir des biens en gérance. Donc il va falloir que nous sachions comment on doit gérer notre entreprise. Et qu'ici aussi, nous devrons le faire. Donc c'est la raison pour laquelle moi, de par la petite expérience que j'ai eue, lorsqu'il m'a dit de pouvoir venir ici parler avec vous sur le volet foncier. Je suis venu pour être à vos, à vos services. Parce que c'est ce qui va pousser aux gens de pouvoir bien comprendre l'immobilier et d'avoir aussi le charme de pouvoir partager et d'être à nos cheveux. Je vais terminer par rapport au volet foncier. Ici au Sénégal, nous avons tous des problèmes et que chacun de nous veut un terrain. Il n'y a personne ici au Sénégal qui ne veut pas de terrain. Je ne le sais pas. Je ne sais pas, une personne qu'on demande, vient prendre cette portion de terre-là, il refuse. Ça n'existe pas. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi Est-ce que ce que je suis en train d'acquérir là est sûr Ou bien est-ce que je suis en train d'acquérir là, la personne qui me le donne est crédible Ou bien il répond aux normes de l'État Quelle sorte de bien je peux acquérir Est-ce qu'un bien qui se trouve dans le domaine national, je peux l'acquérir C'est à ma portée est-ce qu'un titre foncier, c'est pour moi Est-ce qu'une délibération ou bien un bail, c'est à ma portée Donc voici en réalité l'ensemble des questions ou bien la majeure partie de ces questions-là qu'on doit se poser avant même d'avoir un, bien. Donc, pour ne pas monopoliser encore la parole, si vous avez aussi d'autres questions par rapport à ce domaine-là, on est là pour pouvoir parler, débattre, se sympathiser et pour répondre aussi à ces questions. Je vous remercie. Mais on va donner la parole à mon papa, donc qui est là. C'est normal. <laughs> voilà, avant de vous la parole. Donc merci. je, je, vous, je, vous, remercie, je, merci de m'avoir euh, donné la parole. Euh, je salue tout le monde, toute l'assistance. J'ai eu la chance de participer, c'est une chance, hein, parce que je ne vis pas ici, moi je vis en France. Donc je suis là pour euh, des les vacances. Un moi, et donc c'est une chance. que Je suis tombé sur, euh, sur cette inauguration. C'est vrai que euh, Kandura, comme euh, tous les autres jeunes que, j'encourage, je l'ai soutenu depuis qu'il était étudiant. Il a fini ses études, effectivement. À chaque fois qu'il veut lancer un projet, il nous prévient. Il nous dit, j'ai tel projet, quels sont tes conseils Donc j'essaie de lui donner les conseils que j'ai. Moi-même, je n'ai pas d'expérience d'entrepreneur, je n'ai pas créé d'entreprise. Je suis certes un ingénieur et je travaille dans une entreprise. J'ai de l'expérience, certes, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience dans les télécoms. Et donc j'essaie de, lui donner un, peu euh, l'expérience que j'ai glanée un peu partout dans le monde. Parce que j'ai vécu quand même six ans en Allemagne, j'ai fait mes études, moi comme ingénieur, avant d'aller en France et de travailler là-bas comme ingénieur dans, plusieurs entreprises. J'encourage ces initiatives des jeunes parce qu'on est dans un pays malheureusement qui n'offre pas aux jeunes qui sortent de l'école la possibilité d'avoir un emploi. On va dire 80% des jeunes qui sont diplômés, l'État ne leur donne pas la possibilité d'avoir un, travail tout de Et donc les jeunes sont obligés ben, d'entreprendre eux-mêmes créer leur structure, que ce soit dans l'immobilier, dans l'informatique ou dans le, transport, quel que soit le domaine, j'encourage fortement les jeunes à prendre leur avenir en main et à foncer. L'avenir, on va dire la réussite, on le, on le construit soi-même avec ses idées, avec son courage. Il y a certes une vingtaine de pourcents qui auront la chance d'intégrer les quelques entreprises qu'on a. On n'est pas dans un pays industrialisé. Le Sénégal compte, euh, on va dire, c'est un pays rural comparé aux, pays européens. Si on enlève Dakar du Sénégal, c'est un grand village, le reste. Donc il n'y a pas d'industrie. Quand on sort de, de, des formations, un diplôme en vidéosurveillance ou euh, ou, en télécom. On ne peut l'utiliser que dans les, entreprises qui peuvent recruter, on les compte sur les doigts de, la main. Donc, ce qui vous reste, ce qui reste à la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, et donc le d'âge, je vous félicite. Et ceux qui suivent les formations, j'espère que pour eux aussi, euh, ils s'engageront à leur tour en créant des petites structures des petits PME et c'est ces petits PME qui deviennent demain des grandes entreprises. Tout le monde ne va pas réussir, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais euh, on va dire, euh, la chance, ça se provoque aussi. Hein. C'est en travaillant, en se donnant les moyens, qu'on réussit Ce n'est hein. C'est pas en dormant que la chance va venir nous sauver. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir euh, donné la parole. À la limite, je suis venu juste pour participer, honorer. Et je ne pensais pas que j'aurais ce ce privilège de parler et de donner mon avis sur, euh, sur les activités. Donc je suis vraiment derrière vous, je vous encourage dans les initiatives et dans les activités, que ce soit dans l'immobilier, dans l'informatique, dans les télécoms et euh, dans tous les autres domaines. Et euh, je prie pour vous, j'espère vraiment que d'ici 5 ans, 10 ans, on, parlera de Jésus, pas dans un petit local comme ça, mais plutôt dans, une, dans un grand immeuble ou euh, dans un, on va dire, un building Jésus. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Je on va donner la parole aussi euh, <laughs> à, mon ami. Je remercie d'abord M. Kanyura, Timura. vraiment, c'est un ami à moi, et camarade de classe. Vraiment, on a commencé depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais au Maroc, mais tout le temps, on est en communication. J'ai vu vraiment tout ce qu'il a fait. Et là, aujourd'hui, vraiment, il a commencé à fleurir. Je pense qu'avec le temps, ça va s'agrandir. Moi, je suis dans le domaine de, la logistique et, transport. Ce que vous êtes en train de faire comme ça, tout de suite, je comprends. L'informatique et le mobilier, cette connexion qu'on appelle en anglais IT, Internet of Things, Aujourd'hui, dans les maisons, en Europe, partout, ils se connectent avec tout appareil qui, se trouve dans la maison. Et pour cela, dès la construction, on fait tout ça. Donc vraiment, ça c'est un projet qui est phare. Je ne l'ai pas vu au Sénégal, mais je pense que vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes les premières à entreprendre ces genre de projet. C'est qu'il vous faut, il faut des financements, du savoir-faire et de compétences dans le futur et entre-temps, vous êtes en train de former une jeunesse. Et vraiment, vous, il faut remercier cette euh, société. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Et comme nous, notre génération, on n'avait pas eu. Soit on part à l'université, ou bien on n'a rien. Mais aujourd'hui, avec un peu de 20 000 francs CFA, vous allez apprendre. Et ça n'est pas donné à tout le monde à l'époque. Il vous faut vraiment des millions pour apprendre. Mais moins de 100 000, vous êtes aujourd'hui et applicable et, apprendre que ce qui est Excel, Word et PowerPoint. Pour vous, c'est petit. Mais Excel joue un rôle majeur dans la société. Il faut que eux, ils vous donnent des bagages, mais c'est à vous d'aller plus loin. Apprenez-vous à la maison, faites des recherches. On ne peut pas tout vous donner, ça, c'est pas possible. Donc, il faut aller plus loin, faire des recherches sur Excel, sur ça, moi je vous le dis, et PowerPoint. C'est les outils informatiques à base mais qui sont responsables de toute création. Si vous le maîtrisez bien, Excel, vous allez réussir dans le monde. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à confier à M. Timera et son équipe tout ce qui est immobilier, immobilier pour moi, pour qu'il les gère. Parce que j'ai confiance en lui, je sais très bien, à chaque fois qu'il entend quelque chose, il part jusqu'au bout. Je vois ses vidéos, il est toujours au terrain. Les patrons ne sont pas dans les bureaux. Les patrons, ils sont d'un terrain. Ils sont sales. Ils transpirent. Donc si vous voulez être dans le confort, vous n'allez pas réussir. Vous nous voyez là aujourd'hui, peut-être vous avez dit qu'eux, ils n'ont rien fait pour réussir. Mais on galère derrière. C'est ça, entrepreneur. C'est ça, on engagé. C'est ça, quelqu'un qui veut évoluer. Il faut se salir. Vraiment, je prie pour euh, cette société, vraiment qui est nouvelle, dans ce domaine. Le lien entre l'informatique et l'immobilier. Ça, c'est nouveau au Sénégal. Mhm. Et vraiment, moi, je vous appelle à, consulter tout ce qui est tout ce qui est agence télécom ici au Sénégal, de créer des liens avec eux, la Sonatel, que ce soit Orange et RTP. Donc, il faut les voir comment vous allez vous réorganiser pour la construction de futures maisons et faire des installations, caméras, vidéos, connexions Internet, tout ça, Il faut que les agences ils le savent. Aujourd'hui, quand on parle du système ADSL au village, il y avait du système ADSL, les lignes téléphoniques. Mais on ne le savait pas. Les gens, ils commençaient à les couper, à, détruire les, poteaux. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi ADSL. Vous voyez, ça, ça c'est de l'information qui nous manquait. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec vraiment et Jessie Imon, votre œuvre ne va pas seulement rester à Dakar. Il faut voir chez nous, à Bakel, à Tambacounda, les villages, il faut les, il faut les informer. Comment avoir le réseau Le réseau, c'est important. Aujourd'hui, si on n'a pas le réseau, même si, même si on perd le réseau une seconde dans la vie, tout est mort. Tout meurt sur place. Et vraiment, je prie pour la société. Je vous dis bon vent et bon courage. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Jérôme Bouanga, je suis de la nationalité congolaise. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être euh, parmi vous et particulièrement parmi mon frère, être là et répondre à son invitation, voir comment est-ce que la jeunesse africaine, moi je dirais, parce que moi je suis panafricaniste, comment est-ce que la jeunesse, la jeunesse africaine est en train de comprendre enfin son rôle au milieu de la société et Comment est-ce que la jeunesse africaine en train de s'engager également pour contribuer au développement de l'Afrique Parce que nous parlons africains, nous sommes tous des Africains. Et pour moi, ma présence, c'est juste une manière de témoigner réellement mon apport ou encore ma contribution. Nous avons fait la formation ensemble à SubImo parce que, pour dire, l'immobilier est l'un des secteurs qui n'a pas encore été vraiment développé en Afrique. Les autres ont compris, c'est un secteur qui ne connaît pas de crise, c'est un secteur qui est vraiment bien développé chez les autres, mais qui reste encore euh, de beaucoup au niveau de l'Afrique. Et nous pensons qu'avec ce genre de projet, euh, l'immobilier va être développé et nous aiderons les bien-aimés à comprendre ce qu'ils n'ont pas encore compris et que ce projet réellement ira de l'avant et la jeunesse africaine va vraiment bénéficier avec ce genre de formation. Je vais peut-être, avant de terminer, ouvrir une brèche. Je vois aujourd'hui tous ceux qui vont se faire former dans les écoles. Moi, je suis logisticien de formation. Mais après ma formation, je me suis rendu compte que c'est vrai dans le domaine de la logistique, il y a pas mal de choses à faire, mais l'immobilier a plus d'opportunités aujourd'hui au Sénégal que le domaine de la logistique. c'est ce que je peux dire. Et j'encourage les jeunes gens, j'encourage la jeunesse vraiment à pouvoir se former. Dans le cas de l'immobilier, aujourd'hui on parle de l'immobilier, aujourd'hui on parle de l'informatique, c'est les métiers où on ne peut pas s'en passer. Mais on, voit de moins en moins de gens qui s'engagent à pouvoir euh, se former dans ces domaines-là. Donc nous encourageons vraiment cette œuvre et nous croyons qu'avec le peu que nous connaissons tous, nous apporterons la pierre à l'édifice qui sera et lever jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, oh, essayons de travailler main dans main. Et ayons la confiance en, nous, ça va aller quoi. Donc, on va continuer. Peut-être qu'on va donner la parole à d'autres qui veulent, qui veulent parler. Et aussi des, certains étudiants qui veulent un témoignage. Voilà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Noël Mboko, étudiante en gestion des ressources humaines. Euh, je tiens d'abord à remercier le formateur Dibri, euh, qui était là avec nous dès le début jusqu'à la fin. Euh, on sent le bon travail en lui, la responsabilité, l'amour de son travail. Euh, je peux dire que c'est un formateur excellent et intelligent, car euh, il répondait à toutes nos questions il était là. Moi, pour ma formation, j'ai eu à faire euh, apprendre une formation sur Word, Excel, PowerPoint. C'est une formation utile et motivante car euh, c'est une formation qui me permettra d'améliorer mon efficacité là où je suis, là où je travaille. Et je tiens à remercier tout le groupe. Donc, j'encourage à ceux qui n'ont pas encore eu à le faire de le faire et de venir à Jésus. Parce que ceux qui nous apprennent ça, ce sont des formateurs euh, qui ont l'amour d'abord du travail et qui veulent nous apprendre quelque chose venant d'eux. Donc j'encourage à tout le monde. Merci. Je peux tout faire moi-même parce que je me rappelle quand j'écrivais mon mémoire, j'étais tout le temps ici parce que tout était difficile. Mais après cette formation, tout est devenu facile et très ouvert. Donc Vraiment, je suis très, très, très satisfaite. Merci. Témoigner encore l'importance de ce qu'elle vient, de dire, la dame. J'ai eu à travailler dans une entreprise du nom de CPI. Tu me connaît bien l'entreprise. Il y a une dame, si vous ne maîtrisez pas, quel que soit votre niveau d'étude, même si vous êtes un grand spécialiste, je vous dis, dans votre domaine, si vous ne maîtrisez pas Excel, comme le dit tout à l'heure ce cher monsieur, vous n'allez pas intégrer son entreprise. Vous n'allez pas intégrer. Donc j'insiste à ce que vous continuez même, quel que soit votre niveau en informatique et plus fort, à plus forte raison l'Excel, continuez à persévérer. Ça va vous servir tout ou tard. Parce que c'est le monde euh, de l'informatique. Chaque entreprise a besoin, on n'a pas besoin d'écrire sur le format papier et écrire tout simplement. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est de se rivaliser comme les autres les autres pays, qui sont des pays européens ou euh, des pays américains, qui n'utilisent que les intiques. Donc nous aussi, on doit faire telle sorte que même dans nos entreprises, qu'il n'y ait plus de papier à écrire. Tout doit, doit être formalisé, tout doit être informatisé. Et l'Excel, moi-même qui vous parle, la formation que j'ai reçue, je n'avais pas reçu de formation en Excel. Je vous parle de moi, personnellement. Lorsque je suis venu de là-bas, c'est la grâce de Dieu qui m'a permis peut-être d'intégrer l'entreprise. Mais la dame, si vous venez, vous faites un entretien, deux entretiens avec elle. Mais la deuxième entretien, le deuxième entretien autant pour moi, c'est pour regarder si vous avez maîtrisé le Word ou bien l'Excel. Tenez-vous bien, j'avais eu 4 en Excel, 4 sur 10. Word, j'utilisais Word parce que c'est ce qui m'a permis de faire ma, mémoire et tout ça. Mais Excel, j'étais tellement nul que je ne pouvais même pas savoir pourquoi même d'ailleurs la dame m'a pris. Après, je suis venu au niveau de son bureau, on s'est parlé. Il m'a posé des questions dans le foncier, dans l'immobilier. Il a vu que j'ai le niveau parce que c'est un docteur en droit foncier. Il m'a dit que si ce n'était pas en réalité le foncier, vous n'allez pas intégrer l'entreprise. Je vous donne une semaine de maîtriser Excel. Aujourd'hui, n'importe quel travail que vous me donnez, si je ne travaille pas dans Excel, je ne vais pas travailler. Et je sais que jusqu'à présent, j'ai besoin de faire la formation. Et jusqu'à présent, je vais appeler à Timera pour lui dire que peut-être un spécial dans votre domaine va venir me former. Mais je vous dis, tenez-vous bien, que pour l'instant, quand vous me donnez un travail, si je ne travaille pas dans Excel, pour moi, je n'ai pas travaillé. Tous mes documents, je les fais en Excel. Et à l'espace d'une semaine, j'ai fait tout. Mais il reste des choses que je dois développer. Et juste pour vous dire que vous témoignez mon expérience personnelle, que continuer étant étudiant, de persévérer dans les indices. Ça va vous servir tôt ou tard. Je vous remercie. Merci Moi, mon objectif, c'est de satisfaire les gens. Pas, la réussite, c'est pas moi seul. Moi, je peux gagner quelque chose, mais c'est différent de la réussite. Gagner sa vie et réussir sa vie, ça fait deux. Moi, j'ai gagné mon, mon, diplôme, ou bien moi j'ai gagné temps. mais ce que tu as gagné, si mon papa n'a pas en bénéficier, si Traoré n'a pas en bénéficier, si ma famille, mon pays n'a pas en bénéficié, ça c'est pour. tu as juste gagné quelque chose. Mais la ressource c'est quoi Tu en bénéficies, tes parents, ta famille, ton pays. C'est ça la réussite en fait. C'est ça la différence, gagner sa vie et réussir sa vie. Donc si tu veux gagner sa vie, tu vas aller individuellement, tu construis ta maison et tu es là tranquille tu ne vas pas partager ton expérience, tu ne vas pas partager ton savoir-faire. Non, n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de, de réussir et de faire réussir les gens. Donc ça, c'est ça, ça notre objectif. Merci beaucoup, Noëlla. Euh, je me nomme euh, je euh, je suis étudiant en géographie à l'université Saint-André de Dakar. Bon, moi, pour ce que je devais témoigner et que la formation a été euh, tellement magnifique et les formateurs aussi. Donc ils ont la qualité et l'expérience aussi de propager leur, savoir. Ah. Euh, pour dire, je vais essayer de dire euh, que c'était tellement bénéfique pour moi d'en faire cette formation-là, parce que ça va me servir après j'ai des choses à faire et des études. Parce que j'avais fait des recherches sur, euh, que ça soit sur la préinscription, d'avoir une préinscription à l'étranger. Tous les prérequis des universités qui demandent, c'est d'avoir au minimum les connaissances de base en informatique, en, informatique et d'autres prérequis aussi. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de faire cette formation. Euh, j'avais fait la formation en bureautique, ce qui s'agit de Excel, Word et PowerPoint. Euh, point, Donc euh, c'était ça. je ne vais, pas, vais pas aller plus loin. je vous remercie et félicitations à nous et mes encouragements pour vous. Donc euh, qu'Allah vous facilite le reste. Et Inch'Allah, vous allez plus loin. Je trouve que le moment est opportun pour le dire, euh, peut-être pour témoigner à notre frère, ami, collègue. Euh, tout d'abord, Chimera, on s'est connus en 2015. Euh, on a cheminé ensemble en 2016. par la suite, moi j'ai eu à quitter la CCA, j'ai continué les études à l'ISEC, là où j'ai terminé la licence et enfin le master mais Chimera, il m'étonne. Il a la rage de l'entrepreneuriat. À chaque fois, euh, il s'en sort avec de nouveaux modèles de l'entrepreneuriat. À chaque fois, je le vois brûlinguer et grimper. J'avais très tôt pensé un jeune Timera, issu de la zone de Paquel, il va bientôt partir en France. Nul doute. Et je vois, il sort pour créer des agences, il fait des formations des renforcements de capacité. Je dis, tiens, l'homme, il demeure et il va rester. Il n'est pas comme euh, pense la majeure partie de nos parents, parce que moi je suis soniqué, je m'excuse, je ne me suis pas présenté, c'est Jibimbaye journaliste à Actu 221. J'ai dit, bon, souvent nos parents ont l'habitude de, quand tu es très jeune, quand tu viens à Dakar, il faut que, automatiquement que tu pars en France. C'est là-bas où on, pourrait, ou bien c'est là-bas où la réussite pourra te sourire. Alors, Chimera aujourd'hui a totalement contradit cette thèse. Et c'est un modèle de réussite et de persévérance. Moi, j'en connais quelque chose. On discute souvent. C'est un homme de terrain, un homme efficace, un homme très engagé, avec beaucoup d'énergie. Simplement, ça suffit comme euh, source de motivation. Il est très poli. L'homme est très poli d'abord. Avant de lancer dans l'entrepreneuriat, il est très poli. C'est un adepte de l'informatique il maîtrise très bien l'informatique. Et quand il se lance dans ses projets d'envergure, à savoir l'immobilier ou bien euh, dans, la formation, dans l'éthique, c'est pas quelque chose qu'il le fait par arnaque ou autre. Non, il le maîtrise. J'en connais quelque chose. C'est un camarade promotionnaire. Et je sais qu'il ne triche pas. C'est quelqu'un qui est très teigneux et qui travaille. Chimera, je ne serai pas très long. Je suis très fier de toi tout d'abord. Tu as eu vraiment à tracer le sommet pour nous les jeunes Sénégalais, qui croient aujourd'hui que ici au Sénégal, on ne peut pas réussir, il faut qu'on part en France pour réussir. Je vous encourage, je vous félicite. Je réitère ici mon soutien pour ce projet. Je prends acte ici. Désormais, je ferai partie de la cellule de communication de cette agence qui vient de naître. Je le fais gratuitement. Je n'attends rien. Parce que, pourquoi Non seulement tu es un parent, tu es soniqué comme moi, par ailleurs encore, tu es une source de motivation. Tu as tracé la voie pour les jeunes soniqués qui ne croient pas qu'aujourd'hui on pourra faire quelque chose ensemble ici au Sénégal. Et on peut travailler ici, exceller et réussir ici dans notre pays. C'est bien possible. Les autres l'ont fait, les autres ethnies l'ont ils ont ils l'ont fait, partout. On voit beaucoup euh, des jeunes Serrer, Wolof, pourquoi pas nous les soniquer Il faut qu'on essaie de gommer cette thèse, soi-disant qu'il faut qu'on part en France pour qu'on puisse réussir. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est pour cela que tu as tantôt rappelé tout à l'heure euh, de mon parcours un peu. Depuis très jeune, j'avais voulu être journaliste. Mes parents m'ont essayé d'orienter vers les métiers un peu techniques c'est-à-dire euh, la plomberie, les mécaniques et ainsi de suite. Je dis non, je serai journaliste et je vais réaliser ce rêve. Et aujourd'hui, je dis Alhamdulillah. Et j'ai eu ma carte presse nationale, reconnue comme journaliste attitré au Sénégal. Le combat ne fait que commencer. On est dans le même euh, combat, c'est-à-dire c'est de réussir ici d'abord. Et toutes les grandes nations ont compris que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Et nous sommes un pays qui est aujourd'hui mieux placé pour réussir. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un pays qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui cristallise l'attention du monde entier. On a toutes les ressources potentielles. Pourquoi aller en Europe et ici, on pouvait bel et bien réussir, avoir quelque chose et nourrir et participer au développement de son pays. C'est très important. Donc, euh, je remercie tout le monde. Je remercie les étudiants qui, qui t'ont accompagné. J'ai longtemps voulu poser mes pieds <laughs> sur l'agence, je t'avais dit trop, depuis dès le début. Je te voyais se battre seul, mais j'avais l'envie de venir dès le début, mais le travail était très corsé. Dieu merci, aujourd'hui je suis là, euh, devant cette auguste assemblée, pour euh, faire des témoignages à ton, endroit et à l'endroit de l'assistance que tu es un jeune très motivé, tu es un jeune très engagé et tu es un modèle pour euh, la communauté Sonicra. Donc j'appelle à tout le monde, à toute la Sonic, à toute la communauté, à toute la, non seulement, hormis tes parents, c'est toute la communauté Sonicra qui doit t'appuyer parce que j'en connais ce que j'ai dit. Si tu étais un tricheur, je n'allais pas t'accompagner. Non. Nous, tu connais ce que je dis. Si un sonique commence à tricher, à voler, à faire de l'arnaque, jamais c'est fini les relations. On rompt tout. Donc c'est pour cela que je suis là, pour euh, prendre part à cet euh, événement, à cette cérémonie de, l'inauguration. Je prie au euh, bon Dieu que ça soit des buildings. Et c'est bien possible. Et il faut croire. Et ça ira. Dieu est là pour tout le monde. Le Sénégal, c'est un pays pour tous, euh, les communautés. Donc, euh, on fait partie de, ce pays. Donc, croyons à nos potentialités, croyons à nos, à nos savoir-faire et on va développer ensemble ce pays. Je vous remercie. C'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir devant vous pour m'exprimer. C'est une fierté pour moi parce que c'est avec euh, Monsieur M. Timera que j'ai pris euh, l'engagement euh, de, de, de, servir dans l'entrepreneuriat. la Je viens d'une école euh, dénommée Uptech. Uptech, c'est une école supérieure de formation en informatique et de la communication. Là-bas, on nous forme pour entreprendre et non pour servir. Mais c'est avec Timera que j'ai pris la volonté. Parce que c'est avec lui qu'on a créé euh, l'agence ZESI, gestion évolutive du système informatique, qui est aujourd'hui une agence virtuelle. Euh, c'est sur les réseaux sociaux. On travaille à distance. Bien vrai qu'aujourd'hui, euh, l'un de nos, membres est, en Russie, M. Timera, ah, en Chine aujourd'hui. Voilà. Pourquoi je, je vous rappelle ça Parce qu'il m'a motivé, M. Timera, et comme bon, les autres m'ont dévancé, je ne peux aussi me passer de ça. Euh, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, pour M. Timéra. Pourquoi applaudir pour lui Parce que c'est une source de motivation, en fait. Moi, je fais partie des jeunes qui sont euh, sortis de son école. Une école n'est pas seulement une structure où euh, on part avec des cahiers, des bics ou des livres pour, pour apprendre. Donner des conseils à quelqu'un, tu, tu, l'aides à avancer, en fait. Il m'a aidé à avancer. Mon prof me disait toujours, pour réussir, il faut quelque chose. Sortir de sa zone de confort. Je peux vous donner 9 points. Et ensemble, on va essayer de les relier avec quatre lignes. S'il vous plaît, monsieur Timon. Euh, Ça, c'est une expérience que mon prof m'a donnée euh, en deuxième année. Nous avons 9 points qui peut venir me les relier avec seulement 4 lignes. Je ne parle pas <laughs> des pros. <laughs> avec 4 lignes. Qui peut me relier ces 9 points Vétimera, s'il vous plaît. relier ces 4 points, c'est neuf lignes, et euh, neuf points avec 4 lignes seulement. <laughs> Ok, viens, s'il vous plaît. <laughs> Ok, je vais le relier, mais c'est juste une expérience. avez vu les, points ont été reliés. Mais comment ils ont été reliés C'est parce que je suis sorti dans la zone de confort. Si je me suis limité à, les relier avec seulement le carré, on allait avoir cinq lignes. Mais parfois, même si on n'a pas les moyens, quand on sort de sa zone de confort, Dieu va nous aider. Aujourd'hui, M. Timera, pourquoi il a su voir le bout du tunnel, c'est parce qu'il est sorti de sa zone de confort. Zessi, c'était euh, une petite agence en fait. Ça y est là, euh, en face de la police. On était au nombre de quatre. Parfois, pour sortir, on se bousculait. Mais là, il est là avec quatre chambres, on peut dire, quatre bureaux. Pourquoi Parce qu'il a eu confiance en soi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement l'agence la gestion des maisons. Ce n'est pas seulement ça l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, toi qui es là, qui n'a pas d'ambition dans euh, la gestion ou la gérance des maisons, l'entrepreneuriat c'est vaste en fait. Entreprendre, même le commerçant qui est là, c'est un entrepreneur. Parce qu'il lui aussi, il peut donner ses produits à quelqu'un, à, qui lui aussi il va aller les vendre comme les marchands ambulants. On, on voit aujourd'hui des gens qui vendent des, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de boutique, non Mais il y a quelqu'un qui est derrière qui les, et qui les produise. Lui, c'est un entrepreneur. Entreprendre, c'est quoi C'est savoir servir. Monsieur Timéa et l'équipe, le nouveau équipe de Zissib, je vous félicite et je vous encourage. Bon, salam alaikum tout le monde. Bon, je me présente, euh, c'est Haruna Timera, donc euh, frère à à Et d'un côté aussi, c'est mon logo, je peux dire. Mais c'est plus euh, du côté euh, fraternel que je vais plus euh, accentuer peut-être mes propos. Donc c'est un frère qui, tout à l'heure, il y a ses collègues qui l'ont rappelé, qui est ambitieux, donc qui aime bien ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'il a un projet, franchement, comme il vient de le dire, il m'en parle Bon, avec ma, mes petites idées, donc euh, j'essaie de l'encourager et aussi de l'orienter si euh, ce qu'il fait pour le booster un peu, pour qu'il puisse euh, prendre les, meilleures décisions et les meilleures idées qui, qui peuvent accélérer ou bien faciliter sa position et aussi faire bénéficier son entourage. Donc c'est un moment aujourd'hui de le féliciter devant tout le monde et aussi l'encourager encore pour qu'il aille de l'avant euh, sans trop tarder et ne pas monopoliser la parole. Donc euh, c'était quelques, c'est quelques propos que je voulais tenir devant, devant vous. Donc euh, c'est un frère que j'encourage et que je vais, je vais, je n'ai l'assister. Bah, j'ai pas trop d'argent ou bien pas trop financièrement, mais ce qui est sûr, on serait présent. et aussi on a eu à travailler ensemble sur des projets. Donc, comme il a dit, je suis technicien supérieur en génie civil, donc euh, euh, ingénieur. Donc, on fait des plans. En étant ingénieur, on a la possibilité de, faire des, plans archi. Donc, à chaque fois qu'il y a euh, des commandes, il m'en parle. Donc, avec ma, la formation que j'ai, donc je, l'aide aussi de ce côté-là. Donc, sans plus tarder, donc, <laughs> je, vais laisser la parole à d'autres. Comme ça. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, vous m'excuserez parce que c'est la première fois que je parle en public. Je n'ai pas l'habitude. Mais bon, aujourd'hui, je vais m'y forcer. Comme je le vois ici, nous avons tendance à être émotionnels. C'est le Sénégalais. Avec ses beaux sourires. Bon, au lieu d'en tirer le son, nous, on se, laisse emporter par l'émotion. C'est vrai qu'il a commencé, c'est un grand posé. Mais pour l'instant, il n'a encore rien réalisé. Parce que pourquoi Là, bon, je vais commencer par l'informatique c'est une chose euh, qui est très importante et primordiale dans la vie. Moi, au début, j'ai fait que 4 mois à l'université, hein, c'est Bon, je ne pas un exemple à suivre. <laughs> mais lorsque j'ai décidé d'arrêter les études, j'ai été critiqué, mais je ne me suis pas laissé aller. Quand on prend euh, une décision, il faut l'assumer. Certes, il y aura des critiques, mais il ne faut pas être critiqué et donner raison aux autres. Non. J'ai décidé d'arrêter les études, donc je l'ai assumé, mais il ne faut pas traîner il faut savoir pourquoi on veut ceci, pourquoi on laisse cela. Donc comme lui aussi, il a commencé une chose, c'est la première fois que je le vois. En général, dans l'immobilier, nos parents, c'est une fois immigrés et avoir, pris la retraite, qui se lancent dans l'immobilier. Déjà, ils ont leur argent, mais pour fortifier ça. Mais un jeune, en tant que jeune, prenant cette décision, ce courage, comme l'avait dit tantôt M. Mbaye, bon, en tant que relais. Mon plus grand rêve, c'est d'immigrer. Aller là-bas, travailler pour les Blancs. mon grand-père aussi l'a fait. C'est mon grand-père. Il est Bon, hein, même s'il n'a rien quand même, mais c'est un grand-père à moi. Donc, euh, je préfère être comme lui que les autres. Mais je n'ai pas son courage. Je vous le dis carrément, je n'ai pas son courage. Euh, à chaque fois, il m'appelle. On les d'appeler comme des professionnels ou des gens avec qui il sait qu'il peut profiter. Non, non, non. Ils appellent des gens qui, à niveau bas pour avancer ensemble. Donc c'est quelqu'un qui veut la réussite des autres comme le tien. Donc vraiment, c'est à encourager et ne pas rester là juste à dire que bon, Kandura il l'a fait, Timura il l'a fait, il l'a fait. Nous aussi nous pouvons le faire. Bon, il a choisi l'informatique et le mobilier, mais d'autres aussi. Moi, je, choisis le commerce. Bon, mon rêve était de devenir interprète et journaliste. Mais au fur et à mesure, donc c'est pas tout ce qu'on veut qu'on va faire. Donc je souhaite encore euh, la même chose, pareil à tout le monde de réaliser son rêve. Il faut y croire, ne jamais se décourager. Ce n'est pas facile quand même. Surtout euh, ne pas avoir de soutien financier, là aussi au Sénégal ou en Afrique en général. Quand on a un manque de finances, donc c'est tout à fait un problème. On, va galérer ici. Moi, personnellement, je vous dis, j'avais justement une bourse de 18 000 francs. 18 000 francs. Donc je vivais avec pendant deux ans avant de me lancer dans le commerce. Je savais que ça, je pas pouvoir continuer à l'université, donc je me suis lancé dans le commerce.

gani soni kalle mun na igra azasi yogo ta gondi batang ken azanse agol nenji makan kutu ni filia kama makan kutu fana ni mania kenya fosu ga sikido immobilier karanye iwa ken golle dabarni geli tene ke murunde nga ma construction nal kata aménage ngaranga ara nettoyage ngaranga golle nga ken kama kenangi falle fo sugatena katta taxadi multi service nkaraña ha kadi aga transfert d' argent walla informatique nkaranga agani euh, information eh, agani formation eh, maintenance nga wala formation agani infographe nga wala formation bureautique nga i gollena ke ha kamma ina no xuɓe gani grand fois i école ke toxoñani manam i fe agence ke toxoñani euh, jésus donc ya sans ke taxo ni ke aga ko ngani grand fo angana igiliti euh, angana igiliti sem grand ke no ke ken ki lebe ga don kata marché grand ki le ke ya ki ki le xane angana igiliti marché grand ke no ko ga dinga ke mo ko banani ifa gili ki le xane nyai i bandrol nga gili euh, mirke aga ni jezi igolenga kata immobilier karanga igolenga kata gili formation ka karanga mare mo sumpundo katinga kakum benu gongo fayni droit to kuna kati kimba ke khana sai bamba ko katale nga kyan agani waga du vision tv ora kya kita kada nga gelle agence kore ke euh, inauguration ngal lenki ona kada nga fayni pay ado khairin pogabe wa tata inshallah rabbi gelala ko kisin dong wassalam